Depuis presque un mois, la FENISFA se prépare euh, pour participer aux Jeux qualificatifs d'athlétisme paralympique à Marrakech au Maroc. Au début, c'était prévu à Rabat, après les Jeux africains. Euh, ça a été décalé sur euh, Marrakech, une autre ville marocaine. Et nous sommes en train de nous préparer avec quatre athlètes dans les sauts, les vitesses et les lancers. C'est-à-dire, quand je dis lancer, c'est lancer de javelot et lancer de poids. Donc, ces quatre athlètes sont être, euh, en train d'être préparés, n'est-ce pas euh, intensivement par la direction technique euh, nationale du sport paralympique, ici sur les infrastructures du stade général saint Kounché, et nous allons les faire participer afin qu'ils soient classifiés et qualifiés n'est-ce pas, pour prétendre euh, une participation victorieuse aux Jeux euh, paralympiques de Tokyo qui vont se dérouler du 25 août au 6 septembre 2020. Quel est l'état de préparation de vos athlètes Oui, l'état de préparation se passe bien, bien que c'est timide, parce que qui dit euh, timidité, ces athlètes devraient être mis au vert, c'est-à-dire être logés ici au village chinois et pouvoir à temps plein n'est-ce pas, s'adonner à la pratique sportive. Mais je vous dis que compte tenu des moyens qui ne sont pas à notre disposition, ces athlètes viennent de chez eux chaque après-midi pour s'entraîner jusqu'au crépuscule et rentrer euh, chez eux à la maison. Donc, c'est-à-dire que euh, nous n'avons pas vraiment les moyens de les mettre au vert, mais nous sommes en train, avec l'avis des techniciens de la direction technique, en tout cas euh, de les former n'est-ce pas euh, C'est-à-dire de, leur offrir un programme intensif d'entraînement pour élever leur performance et pour qu'ils puissent vraiment donner, faire des prestations remarquables au niveau des Jeux de Marrakech au Maroc. Relativement à la mobilisation des ressources pour accompagner ces athlètes, est-ce que vous rencontrez des difficultés Oui, là nous rencontrons vraiment des, des sérieuses difficultés parce que nous avons euh, contacté plusieurs partenaires, dont en premier chef notre ministère de tutelle du sport, en tout cas qui n'a pas encore réagi, mais dont les informations à notre portée nous rassurent que le ministre et son staff sont en train de s'atteler pour pouvoir aider cette participation du Niger au jeu de Marrakech. Euh, je dois noter que ce jeu va se tenir du 23 février au 1er mars. 2020 et que pour un départ, euh, nous devrons quitter Niamey le 22 pour arriver euh, à Marrakech au Maroc. Et à ce stade, je souligne que c'est seulement le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, qui est un grand partenaire de notre fédération, la FENISFA, qui a eu à mettre à notre disposition huit billets d'avion aller-retour. Mais au-delà de ce tapis du CICR, il reste vraiment à compléter les frais d'accréditation, les frais d'hôtel et les frais de restauration. Euh, pour ne même pas parler des frais de mission, parce que des gens qui vont quitter les chez, chez eux hein, du 22 euh, jusqu'au un retour au, 2, au, 2, mars, euh, des frais de mission ou des indemnités, ne serait-ce que forfaiteurs, doivent leur être accordés pour qu'ils soient dans de bonnes conditions de déplacement.